les jeunes de son âge, Maman Issoufou est un abonné du réseau WhatsApp. Il s'en sert pour rester en contact avec ses amis, surtout ceux qui vivent à l'étranger. Il y a quelques jours encore, Maman faisait partie d'un groupe de discussion qui lui permettait de bavarder avec plusieurs personnes à la fois. Mais ça, c'est fini. Maman s'est retiré. Il déplore ce qui est devenu la communication dans ce groupe. On t'envoie des n'importe quoi. Parfois, on t'envoie des photos, des vidéos qui ne sont pas vraiment du tout bon à regarder. Quand vous voyez dans le cas social, tu vas voir une personne dans la rue en train de marcher, tu vas le voir en train de parler seul. C'est après que tu vas te rendre compte, ah, il est en train, il est sur WhatsApp. Vous voyez, dans notre, dans notre autre aspect encore, les femmes, au lieu de s'occuper au foyer, ils préfèrent envoyer des messages vocaux entre les collègues. Vraiment, ça a un impact surtout sur les gens qui n'ont pas assez de relations à faire. Manu Boubacar, lui, n'utilise pas WhatsApp, même s'il trouve cette application très importante pour le secteur de la communication. Pourquoi ne le fait-il pas Parce que, dit-il, cette invention altère les relations humaines. Disons qu'une bonne partie euh, des gens passent beaucoup de temps sur des applicatifs comme Facebook, comme WhatsApp, ainsi de suite. Et c'est dommage, c'est-à-dire qu'on euh, peut perd beaucoup de, dans, les contacts, dans la chaleur humaine, dans, les, dans tout ce qu'on peut partager entre humains. On vit plus dans un monde virtuel, dans un monde électronique, qu'on ne partage réellement une, vie sociale euh, à travers des contacts plus humains. Abbas Abdul Aziz est lui président de l'Association de défense des droits des consommateurs de technologie, de l'information, de la communication et de l'énergie, autrement dit Actis Niger. Il considère qu'en plus des désagréments que pose l'utilisation de WhatsApp dans les ménages, il y a d'autres inconvénients. Parmi les victimes, les opérateurs de téléphonie mobile, il regrette que les populations s'éloignent de la communication locale. Au niveau des opérateurs, ça baisse euh, le chiffre d'affaires des opérateurs. Parce qu'aujourd'hui, pour une communication de 1000 francs euh, en GSM, en audio, si vous utilisez une connexion, euh, un forfait d'une semaine, par exemple, à 1000 francs, vous voyez que vous pouvez effectuer euh, vos communications par WhatsApp, vous pouvez effectuer cette communication uniquement sur ces 1000 francs-là, mais pendant un temps plus plus élevé, plus long que le temps euh, réglementaire de la communication GSM. Et c'est ça qui a engendré les, mouvements, les perturbations au niveau euh, des tarifications de, la bande passante euh, de Internet auprès des opérateurs GSM. Selon Abbas Abdul Aziz, au final, ce sont les utilisateurs qui décideront de l'usage qu'ils feront de cette nouvelle technologie. Dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, le client est roi. Diallo Maria Makenda, Studio Kalangu.